opinion libre Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Ascanui. Opinion libre. libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanui. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanui. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanui. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanui. Opinion libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanui. Opinion libre. homme vainqueur mooy may góor doole mbokki Sénégal vainqueur bi ngeen xamoon mu yàgg saafara seeni jàngoro yàgg faj seeni soxla agsi na ci penc mi ba ñépp mën ko jëfandikoo dina faj ñàkk doole góor dina faj jafe-jafe góor dina raxas deret ba góor gi deretam gën a dëgër dafay faj sinusite ak yenn allergie dina leeral say bët dina nettoyer sa biir dimbali la ci hémorroïde bu nekk ci biir ak ci biti dina dindi ballonnement ak fatiguement général bouteille sirop bi vingt francs lay jar vainqueur am na tamit poudre 10 000 francs lay jar am na tamit poudre bu 50 000 da ngay doon vainqueur par force vainqueur ca kër yaa fi mën yaa fi ne yaa jël coupe bi yaay vainqueur vainqueur am na tamit pommade ak huile boo xam ni day gën guddal guddal à 55 000 vainqueur dal, mon premier remède pour homme gën ko may doole Gourgo am te yene la ko vainqueur mën nga ko commander marché Dalifort ci Karobi, 33 893 50 72 le 77 467 87 87 le 77 449 45 45 wala ngeen topp ñu ci réseaux sociaux Instagram Facebook TikTok vainqueur produit yi garantie satisfait ou remboursé Leg leg. بسم الله الرحمن الرحيم وزل الله تعالى Touba technologie Yexingen, fi moi tuba Touba technologie di yeungu ci matériel technologie lu xétok ay ordinateur portable matériel de bureau ak accessoires accessoire informatique Touba technologie bolem lu ngeen teo ci walu ordinateur Lepp lu ak Apple Touba technologie am nañu ko Mo xam di MacBook iMac iPad ak seeni accessoire am nañu ko fi ci Touba technologie ordinateur yi batay ci walu marque am ay HP Dell Asus Acer Lenovo Touba technologie technologie am nañu ay tablette de marque Samsung wala boo ko marque yi ngeen yittewoo boo lem lu ngeen yittewoo ci walu machine am nañu ko ya xam machine gamer nga bëgg machine pour architecture machine infographe machine pour monteur wala boog bureautique fi ci Touba technologie nak am nañu ay machine yu best tak yo xamantene ya yaa koy dàddil sa bop wala boog ay machine venant yu ko ci États-Unis d'Amérique malako ko wax fi ci Touba technologie bu ñu la jaayee machine ba nopi dañu la koy garanti boole ci itam des possibilités de livraison à domicile Touba technologie nos adresse adresses ngi fii ci Ndakaaru ci HLM 2 Ben Natali, Check école Medei Salbi. bi nos numéros de téléphone mën ngeen a 77 151 05 86 woo 77 127 77 37 Ou alors 33 843 24 20 fii ci Touba technologie maa ko fini vos soucis pour vos besoins d'ordinateur matériel de bureau ou accessoires informatiques mercredi 13 mars 2024 j'ai ngeen jëf ci bi ngeen programme opinion libre tv une émission jotaayu PMD ñëwaat comme niñ koy défé micro bu ne fas waxtaan ak euh, suñu gan euh, ci li nga xamante moy actualité politique mais la loolu yëpp dañ leen di yéen ñi nga xamante ni heure yi da ngeen bàyyi seen i teef di ñu ci opinion libre ci di leen wax rek li ngeen faral di def euh, di partager suñu contenu mais aussi di participer ci bi les discussions ngeen wéy diko def à travers commentaire mais bu leen faté aussi di partager li nga xamante bi le contenu occasion la aussi pour balu leen ak baal leen ak aussi di ñaan rek yalla koor gi ñu nekk mu nekk kooru jàmm ak salam ki ñu invité tay ji xam ngeen ko Moussa Ball Fofana du gan ci kër gi yag na fi ñew ñew na fi ñewat fi professeur dañuy am vraiment euh plaisir di la dalal ndax sa ñu la dalalee nga wan ñu euh, xam-xam du pexé té <laughs> xam-xam mo gën mo gën pexé ñu lay dalal bu baax a baax euh, sa kër euh, Moussa Ball Fofana professeur. merci beaucoup Pape Maktar. c'est vraiment un plaisir ñëw ci sa émission bi Opinion Livre TV. Euh, c'est vrai, maintenant c'est devenu une, une tradition. <laughs> Hein, régulièrement, on vient ici s'asseoir. C'est vraiment un plaisir. Et euh, je profite à l'introduction pour au Sénégalais ak ndax nit moom yenn saa yi sooy wax nit nous di la déglu. Euh, njuumte du ñàkk. donc di leen jéggalu di ñaan yàlla mu nous ñun ñëpp weeru koor gi nga xam ne ñu ngi ciy yàlla ñu yàlla dimbalee ba lépp lu luñ ci yëkkati rek ak lépp luy jafe-jafe waroon na dal suñu réew yàlla na ko yàlla teggi te euh, élection yi ñu dugg yàlla dimbale ñu ba ñu génn ci jàmm ak salaam ba Sénégal grandir ci amna solo bu baax baax vraiment plaisir nañu am diko ko dalal ci euh, jotaayu UPMD comme ni ñu koy defee euh, souvent rek euh, dañuy dalal borom xam-xam ño xamante ni aussi naw nañ leen ci seen taxawaay ci réew mi naw nañu aussi ci seen maanute ak ci seen i xam-xam donc ci bobu le logique nañ ko invité fas yéene waxtaan ak mom ci li nga xamante ni présidentiel parce que ni nga xamee jamono ji élection présidentielle ay fan mo ci des ni ngi nekk ci campagne bi yoy yep dañ ci waxtaan mais foofu sax lañu commencer euh, fan ngay défé sa campagne en tant que euh, responsable aussi beaucoup ci euh, bureau bi nga xamantene moy bu Ousmane Sonko. merci beaucoup ci question bi man mom suma campagne ni suivre suma page Facebook xamnañ né bi biñ départ top départ man fekk na ma ngi njaareem bu mhm. euh, diriger suma comité ba noppi samedi dernier ñu fa def ben caravane vraiment bu am am solo ay visite de proximité yu am solo parce que dama gëm clé ou victoire surtout premier tour hein, parce que je un un objectif. premier tour premier tour c'est un objectif. te clé ou victoire c'est dafa dans les zones reculées dafa dans euh, l'intérieur du pays. parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui sommes euh, nga en zone urbaine sommes en régime bi euh, ni mu nocifee ci seen mbir conséquences nañ mhm. et quand jàngat résultat des résultats, ne dernièrement sur les législatives et sur les municipales. c'est vraiment dans les zones rurales mmh. euh, au niveau de la périphérie et à l'intérieur du pays mmh. que le défi est. Donc moi j'ai fait le pari Il y a une campagne a commencé les premier jour suis ngi Dakar Dès on retourne euh, au niveau de la base, on va y passer l'essentiel de la campagne. Mhm. Parce que l'autre moins nous aussi, cette proximité avec les populations. Fan ngay Djourbel Djourbel, moi je suis vraiment... Vous défi quand même parce que la euh, coalition euh, Bifay gagnait le plus souvent, moi Ibou Macky Sall, mhm. Benno Boku Yakar, dit défi Bob, est-ce que paré pour relever quoi Paré pour relever quoi Et nous ñu jotagoum gis ci terrain bi, terrain, pour la première fois de l'histoire du PASTEF, gagné le département de Diourbel C'est loolu objectif Nous avons fait def liggéey bu ama ama ama am solo aujourd'hui leadership local bi ñu porté au niveau local a clarté bi nga xam ne sur ban projet euh, pour le Sénégal et donc forcément pour nos localités les leaders locaux nous suivent. suivre Je ngi commencer par remercier euh, le maire de Patar euh, Adjou Sen, qui est un maire indépendant, beaucoup de ben parti. Et quand il a regardé, et ça fait longtemps qu'on discute, mhm. il a décidé de rejoindre véritablement le projet de souveraineté du président Ousmane Sonko et de notre candidat Basile Diomaye Faye. Mhm. Et, normalement, dimanche, j'organise encore une séance Il y aura près de cinq ralliements de grands mouvements. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est des, fils du Baol, c'est des gens qui portent des projets, mhm. qui ont fini maintenant par comprendre que projet de, projet de souveraineté, quelque part aussi c'est l'autonomie des collectivités locales parce que ku jang programme bi gis au cœur du projet euh, de Pastif. donc man gëm euh, dans une semaine mhm. le département de Diourbel va relever l'un des plus grands défis qu'on ait jamais pu relever depuis l'opposition sous Macky et lolu la ñuy ñaan objectif te dinañ ci vraiment euh, góorgóorlu ñu ci def résultat yu am solo. et je pense que né liñ bëgg daañu ko am inshallah allah. Mm. yaa wax léegi lu am solo moy que souvent euh, en tout cas euh, zone urbaine ni ay zone rebelle lay doon pour que pouvoir gagner fa da fay doon lu mm-hmm. euh opposition aussi pour mo mën gagner ci zone yi nga xamante ni ñoo gën reculer aussi lu jafé la. Mm-hmm. tay ji est-ce que am ngeen bobu les prises de conscience et aussi pourquoi ngeen démarrer seen campagne fii ci Dakar alors que peut-être Dakar mun nañ ne mokk na quoi. Mhm. lan moo leen tere woon par exemple ngeen démarrer ko fi nga xamante ne fi ngeen gën bëri ay jafe-jafe euh, ci nord bi wala sax ci centre bi. alors c'est un choix stratégique des fois aussi mën nga en démarrer campagne tu mets la barre très très haute. avec Dakar en termes de communication day am impact. Euh, donc mën na doon aspect boobu et ça c'est profitable. Maintenant, man, généralement, je n'oppose pas des stratégies, j'essaie de conjuguer des stratégies. mon approche Donc, autant, au niveau national, nous porter Birmi, autant je considère au niveau local, nous avons sur la base. En tout cas, ça fait un an et demi que j'ai initié les NEME. Kobaol. Ça fait un an et demi, vendredi, week-end, on est à Durbel et on fait le tour véritablement des des personnalités des familles toute personne qui nga xam ne xam nañ genre mhm. euh, am nga conscience citoyenne dañ la projet et aujourd'hui gis nañ ne mi ngi porter ses fruits. parce que je le répète et je le réitère dimanche dernier def une caravane 5 heures de temps amul ben leader national La caravane bi ça a été dirigée par Manmi, souleyman Souleymane euh, la famille Senn. donc les leaders locaux. Mm. Mais on a drainé du monde, on a fait le tour de la ville et on, et on caravane 5 heures de temps. On a débuté à 17h, on a terminé à 21h. Mm-hmm. Donc, nous, nous de créer une synergie au niveau local. Et c'est là parce que plus tard, au-delà des présidentielles, avons moins que les forces d'une localité se retrouvent mm-hmm. autour du projet de reconstruction du Baol. Mm-hmm. Ça, c'est fondamental. Et moi, je véritablement tous nos leaders aussi. Ils se sont distingués. Nous l'outil base gëna a population yi joxé nañ top départ à Dakar c'est bien mais euh, en tout cas euh, ma leen di ñaax ñu gëna rapproché wu parce que lolu dafa am solo ci politique euh, proximité beaucoup. par exemple ñun samedi matin dañ dem syndicat <laughs> tok fa wax ak mag ñi wax discuter ak ñom gis réalité yi lo xam ne daan nañ ko gis parce que comme je t'ai dit d'où léegi lañ ko commencé ñi ñuy suivre gis nañ ko mhm. mais pour man élection moment de communion oui man moma ci mhm. moment la tu es en contact direct avec les populations. Mhm. ci euphorie waxtaan fo, mais le plus ko waral le Sénégal. Mhm. ban Sénégal lañ bëgg pour moi, c'est c'est des moments euh, très importants très enrichissants Yo un leader politique daf vivre. daf baigner ressourcer voilà pour moi c'est fondamental. Mhm. wax nga ko deux opposés opposer ay stratégie da les di euh, mhm. mais quand même si euh, ñuy waxtaan rek euh, ci lu de tudd de bi ngeen am dañ ko raccourcir campagne bi avez leen de demul stratégie peut-être que vous bëgg yëpp doon ko am est-ce que vous avez une pertinence quand même ñu jël ay leaders rangele leen ñuy def ay lu visites de proximité ci grande ville que ci zone urbaine alors que peut-être ci base bi yenn a yi nga xamante maintenu voilà ay leader locaux local lañu ñom ñoo fa ay locaux ñom ñoo fa di euh, di di def li ñu mën. non je, je suis d'accord. tay di bu fekkonte ne dans les deux stratégies ñu le won ben rek ngeen di def. si on devait choisir. man dama na ñëpp que ñëpp nañ wàcc sen base mm-hmm. et que bu ñu liggéeyee dans les périphéries des zones rurales des zones urbaines ak. au niveau des zones rurales bu ñu defee liggéey ba ñu def des meetings de clôture maintenant dans les zones urbaines. Mm-hmm. bu doon option boobu dong lañ am bobu man je dirais que ne kon def len bobu rek mais euh, comme je comme je vous ai dit euh, am na ñuy def li amna ñuy def lële kenn ku ci nek moment aussi yow yaay analyser xol ban apport ngay ngay apporte mhm. man je considère que durant toute l'année je ne déserte jamais les plateaux régulièrement je sors pour parler d'économie je pense que li gens waroon wax yëpp wax il est temps pour man maintenant m'accorder accorder tout le temps que je peux et puis aussi contexte yi bokul euh, n'a jamais, euh, l'opposition n'a jamais gagné le département de Durbel depuis. Donc nous, on a un défi majeur, bon, challenge. challenge. Donc man, vraiment, euh, ce sera une fierté pour moi, hein, avec mes, mes, mes, mes, frères et sœurs du Baol. Mm avec nos alliés qui nous ont rejoints. Et on en a beaucoup aujourd'hui. Des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes. Comme je vous ai dit, dimanche prochain, bon, va organiser une cérémonie véritablement pour officialiser tout ça. Mm-hmm. Son objectif véritablement c'est au soir du 24 que le département de Durbel remporte les élections présidentielles. Mm-hmm. Parlons des alliés Nous, avons rejoindre la coalition euh, Diomaye président mais li ñuy que euh, caravane officielle euh, est-ce que quelque part l'ordre escroquerie politique andak ben nit nga ni dang koy jàppale li ñuy xaar ci yow peut-être moy nga dem ci fi nga xamante ni fa ngay milité nga taxawal fa euh, en tout cas wala nga jàppale ko fa ba mu fës ñëpp gis ko. alors mënuma généraliser parce que comme comme tu le sais man je fais partie des des leaders au niveau du Baol. ñu nga xamné ñu bari dañu ñëw ci man. Mm-hmm. donc comme je vous ai dit dernièrement j'ai accueilli le maire Adjoussène. oui et celui-là mom mi ngi ci basam di def liggéeyam. donc. Euh, c'est vrai il y ñoo ils rejoignent ils restent au niveau national Donc chef de parti yeeg chef de parti mais il y ñoo nga ils sont dans leur localité dañu rejoindre projet bi parce que te ñu bëri sax boo gisee ñu yéex a ñëw mooy mooy ñun bi élection kat daa yàggut ñu intention parce que souvent booy génn ci plateau yi ba noppi nga reconnaître sa attachement ci une localité da ngay am possibilité en contact ak plusieurs personnalités au niveau local te nous dañ lay sympathie et un intérêt euh, ngay discuter ak ñom nak ba kérok affaire bi du ñor ñu yegg si donc mënuma généraliser je considère que né, je connais beaucoup de de de responsables qui nous ont rejoints et qui sont restés dans leur base xaaruñu dara euh, ci ci ci même ci même ci parti bi ci quoi que ce soit ñu ngi def liguey bu ama ama am solo ni mu amé des leaders pas pur Pastef qui restent au niveau national non la amé des des des ñu ñu nga xam dañu rallier de rester au niveau au niveau national Nous avons des leaders pasteurs yi nga une une localité privilégiée pour les deux semaines mhm. Nous la des alliés donc pour man euh, ñaari alliés ñaari stratégie nous en mouvement mhm. c'est vrai que deux semaines dafa c'est très très très très court man li je bëgg faire, def yépp sax def mhm. parce que buñ nous dañuy def caravane dugg ci zone rurale périphérique du département malheureusement de nous obliger à choisir les zones stratégiques. Il faut que nous donc donc et c'est pour ça que euh, on a deux semaines le temps est extrêmement précieux mhm. et il faut véritablement bien analyser la stratégie politique euh, qu'il faut mettre en avant pour maximiser euh, un vote qui va être favorable à l'opposition donc lolo mom vraiment mangi ngi responsabilité, euh, nous ñu gën une approche plus stratégique, une approche plus, plus efficiente. Nous sommes conscients qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et au-delà, ça nous devons vraiment nous am ak def ko ak xel moy ñun objectif moy gagner au premier tour c'est ça l'objectif xeyna bu doon deuxième tour lañ bëgg dem débat bi mais ce qu'on veut c'est gagner au premier tour de manière confortable pour éviter tout débat euh, yaa ma gën a xam suñu gaañ euh, buñ fi gagné à 52 nous cent bu leen neexee ñu ñu 48 47 donc moi j'aimerais que nous ayons une victoire pour Ça tourne autour de 58, 60, 62, 60. Lunga Hamne, quel du coup mon année fait du coup du coup score référendum là. un référendum? Je pense que c'est un score qui est très accessible.

Euh, renoncer à Moul. et je pense que aussi au niveau de ces localités nous avons surtout coalition Binyam, nous avons vraiment des groupes de leaders mhm. euh, parce que euh, pour pour donner un exemple. département bu il dañ fa comité. comité beau beau parti constitué coalition bi yëpp dañu ñëw intégrer loolu ce qui fait que aujourd'hui mënoo gis commune wala commune boo xamante ne nii amuñu comité buy chapeauter ay comité de quartier yoo xam ne ñu ngi def seen porte à porte am na aussi benn liggéey boo xam ne ça ne se voit pas euh, de l'œil du journaliste pourtant liggéey boobu moo ëpp solo te liggéey boobu ci lañ gën a focus mooy liggéey bi nga xam ne dañuy demander au niveau des, cellules qui regroupent plusieurs quartiers, que nous avons une stratégie de porte à porte. C'est les responsables de quartier, c'est les responsables des cellules. parce que filmer, euh, responsable des cellules, quartier par exemple bima euh, calendrier qui dugg ci la maire stratégie mais porter ses fruits. effectivement parce que ñi ko def yéen a bokk koñ ñi ko def yéen a bokk quartier ñi ko def yéen ay àndandoo julli juma yéen ay àndandoo dem marché mm-hmm. ci koñ bi lañ dëkk mm-hmm. stratégie de proximité boobu nit ñi duñ ko gis mm-hmm. mais moo gën a am efficacité parce que moo tax ma ne la bu ñu rek euh, focaliser wu ci leader yi généralement les leaders ce ne sont du ñoom ñooy gagné les élections hein? ñi gagné gagner les élections surtout yenn résultats yi bu ñu ko bëggee am c'est vraiment les les les responsables de de comité de comités de quartier. qui mhm. nga fait des stratégies avec des plans d'action au jour le jour tous les soirs aujourd'hui à Diobel par exemple. depuis koor dougou mhm. le matin nous dugg ci yenn notables notable yi discuter ak mhm. après midi les gens se reposent mais si nous avons ba caravane 20h, la ñuy dem ba une heure du matin xam nga engagement boobu xëy na ñi ñu plateau télévision mais loolu véritablement campagne électorale est-ce que doon am aussi wax parce que aussi euh, candidat di mi ngi ci bi euh, mu def déclaration dégguñu mu def déclaration convaincre euh, pour mu que war na am les épaules assez larges pour a Sénégal. solution lañ ci am. Et c'est pour ça, encore une fois, que je réitéré cette stratégie pour demander aux leaders locaux de descendre dans leur localité. Parce que man, waa Diourbel mën nañ baña gis Bassirou Diomaye Faye Wa yaakaar buñu bu Moussa gisee fa Balla mi nga xamné sen dom la ñom ñoko yar mu porte muy muy jéem rayanté pour porter leadership local wala ñu gis ku melni ni Souleymane Ndiaye mi nek le coordinateur au niveau communal wala keneen ak keneen buñu ñuy gis ñooñu dinañ xamné kat li ñuy wax ni lu dëggu la élection yi mën na élection yu am la parce que loolu mooy premier défi bi xamal nit ñi ne ñu ngi ci campagne. élection am ah, élection am na moo tax ñun deux premiers jours yi on a préféré def benn caravane bu nga xam ne dafa wër njaareem gi yëpp def du bruit pour nit ñi xam ne campagne bi commencé na. et les gens sont rendus compte effectivement ñu ngi ci campagne présidentielle. donc man li may wax mooy devant ce défi que nous que nous lance le gouvernement. ou le régime nga xam ne suñu candidat génnagul. ñun ñoo war a dem au niveau local.

tëggaat Sénégal euh, jox leen Sénégal boo xam ne day mënal boppam day moom boppam mënal boppam te loolu da yéen yéen ay acteur principal yi moo tax bi Ousmane amee gàllankoor Ousmane ci boppam daal di ësbali ku tànn donc bu Diomaye tam mënta génn pour le moment et on espère bientôt que dina génn tam ñun au niveau local ñu wàcc euh, dem sur le terrain won wala notre leadership au niveau local pour jéem a porter ces élections euh, donc beau considérer manque de temps bi am le fait que ce candidat génnagul l'ol day militants encore une fois ci point bi ngay insister. moy nous n'y base. wax parce que euh, homme politique da nga wara base. c'est fondamental Il fa a am fo xamné fa nga juggé, fa nga soxé ko. Mhm. kenn ku a Bassirou Diomaye ba tey dégguñu ko dégg mënut def déclaration euh Sénégal bagnal nako bagnal nako aussi ki nga xamanténi moy directeur campagne est-ce que lolu doon handicap. alors mais bien sûr euh, par contre RTS bon. Euh, ñukoy koy suivre moy lolu euh, li nga wax sang RTS bo duggé ci euh, BIR Sénégal. BIR Sénégal deug la c'est vrai ñom ñoy voter lu BIR Sénégal. ñooy voté lu bir c'est vrai c'est vrai mais aujourd'hui on a d'autres supports il y a télévision et ubbeeku nañ. Euh, wal a il euh, y a d'autres télévisions pour ne pas faire de publicité n'y a leen déglu am un maillage bu baax euh, mais définitivement oui c'est problème là maintenant tout problème nous amène à trouver des solutions et des fois dans la vie obstacle obstacles ñëw. Mhm. ndekete obstacle mène contourner obstacle trouver d'autres solutions des résultats, la des résultat résultats. sont ne obstacle résultat donc, moi, aujourd'hui, je, lance vraiment un appel à tous nos leaders. Nous, nous, nous, victoire on va gagner ces élections ce que je gëm-gëm mhm. mais si dara da ngay cible cible gagner ces élections au premier tour. Nous pas de tout parce que gagner ces élections au premier tour, il faut passer par gagner les 46 départements. Mhm. Euh, tu le nord, il y a aussi des zones il y a des réelles pour gagner. Nan gen naradef, ban alchimie gen naradef pour mm, diggante bu gatt bi ni li nga xamante peut-être euh, wala ñi nga xamante peut-être mëno leen woon convaincre ngeen convaincre leen ba élection yi ni peut-être ngeen am ci 46 euh, départements peut-être jàll au premier tour xam nga il y a dafa am liggéey boo xam ne euh, leader yu kenn ku ci nekk yaa ngi def man je prends mon exemple maa ngi doon def suma au niveau de job. et je pense que ñeneen ñëpp ñu ngi woon ci loolu ça c'est le premier point le deuxième point c'est vrai on a 46 départements mais ce qu'on vit c'est 60 pour cent donc forcément dina am département yoo perte mais dina am département yi nga xam ne tu vas faire le plein te loolu ku nyun Dakar Thiès Bawol ñoo département de Djourbel, moo moo nekk fief bu bi en fait mhm. euh, te foofu insha allahu rabbi dinañ ko dinañ ko euh, ba dans le giron de l'opposition pour pour le reste on maîtrise ah axe on maîtrise, maîtriser c'est 50% de l'électorat mhm. Ziguinchor Casamance c'est acquis mhm. donc pour moi même bi Ousmane Sonko encore candidat xamoon n'a gagné au premier tour mais c'est une évidence donc man je ne vois gagner ces élections présidentielles au premier tour est accessible objectif accessible surtout quand tu regardes le contexte politique avec tout ce que Macky Sall a fait dernièrement accessible mais est-ce que yéen mën non xam accessible moi loo

contexte politique est favorable aussi avec les erreurs monumentales du régime report élection euh, euh, la loi d'amnistie toutes ces choses là c'est des choses d'une impopularité grave à la veille des élections font que ce euh, candidat bi ba may dix parce que le régime est actes imposés en l'espace de 30 jours c'est les actes les plus inimaginables de l'histoire du Sénégal me la posé en l'espace de 30 jours euh, li li ma fi dégg. yaakaaroon naa ne man mi j'ai de la politique depuis 2007 2008. Mhm. Euh, j'ai toujours été passionné de politique donc j'apprends l'histoire politique du Sénégal ku ma waxoon ne dinaa dund dans les 60 derniers jours mais dama naa pas possible dama naa loolu mënul xew ci réew mu nekk Sénégal mhm. reporter élection euh, accusation conseil constitutionnel loi d'amnistie toutes ces choses-là comment on peut ne à 30 à 20 jours des élections présidentielles Non, ce n'est pas possible donc nous, noonu day am conséquence politique day am créer un rejet pour nous ne ñun buñ ci de la la froideur ñu stratégique ba pu être sur le terrain occuper l'espace être en contact avec le maximum de citoyens possible surtout ñi nga ils ne sont pas accessibles aux réseaux sociaux ak télévision euh, ça c'est fondamental et ça il faut qu'on le recherche. Mmh, mmh. solo bu baax di ni euh, PMD euh, PASTEF ex PASTEF ji ñu un peu ci premier tour parce que aussi dañ koy faral euh, pour gagner le premier tour il faut que Nini participe à l'élection présidentielle Il am euh, voilà une forte taux de participation te dafa mel stratégie pouvoir bi en tout cas ñi nga xamante le régime bi li ñuy def décourager Nini, ñi nous ñu gëm ni élection yi dañ koy soofantal ba peut-être militants ans, euh, peut-être mën na favorable est-ce que vous êtes conscient Timbir, que ni dafa am genre politique de euh, découragement des Sénégalais pour ñu participer à l'élection absolument absolument nous ne koy pas bu baax parce que xam opposition moo aussi deux semaines ça risque de nous être très défavorable c'est-à-dire que si nous ne gérons pas ce handicap boobu ne ko gérer conséquence parce que xam régime politique pour nous lever sa machine électorale euh, c'est des moyens c'est quelque part une partie de l'administration euh, c'est des gens qui occupent des postes une machine a da ko opposition nak du yëkëti machine opposition mom day conscientiser ba créer une boule de neige affaire bi ñëw andi andi élection donc ñaar dynamique politique la ne bokkuñu une dynamique bu opposition dafa le temps moi un vrai opposant du tok mouk di nelaw c'est-à-dire que même quand le même en dehors campagne électorale da nga wara a euh, au diapason di régulièrement pour que pour que population bi de la bàyyi parce que boo toogee ba dernière minute nga jug du donc aujourd'hui stratégie régime est de faire électorat bi ñun suñu devoir devons nañu yee électoral nañu et nous, au niveau local encore une fois. mais est-ce que dina yom parce que chaque jour vous avez xëyee euh, am incertitude ci élection présidentielle dina am ak du am. parce que malheureusement avec ce qu'on a vu dernièrement. Euh, on va on va devoir s'y faire li am conseil constitutionnel wax na date bi c'est le 24 mm-hmm. euh, parti sur le terrain moi ce que je veux c'est que que ñëpp nañu focus sur ce que nous avons à faire au niveau local kenn ku ci nekk na occuper terrain au niveau local parce que bu faites ne euh, localité bo jël na kon réew mi dina c'est simple comme bonjour c'est pas compliqué mm-hmm. aussi c'est l'occasion pour moi de féliciter les cadres du parti qui ont sorti le programme, un excellent programme mhm. qui, est vraiment, à la, qui est vraiment à la hauteur mhm. euh, des attentes. Et j'en profite pour féliciter le professeur Dardangom qui a, qui a mené ça d'une main de maître. Et prochainement même, il y aura un autre livre qui va sortir qui va parler, du, qui va donner plus de détails sur le programme. Mounek, moment bu moment de communication justement mhm. pour les sénégalais yi campagne commencé comme nous à Durbel, nous choisir le le dimanche samedi ci minuit la campagne bi commencé. Diourbel ñu def tentamar dëkk bi pour ñëpp xamné la campagne bi commencé. Mhm. comme ça nak après ñu door dugg ci porte à porte euh, le régime va toujours nous mettre des bâtons dans les roues ñun ñoo wara faire preuve euh, d'ingéniosité et d'intelligence pour contourner ces défis là. am ay mbir yo xamante chaque jour manké Ils wax euh, ñoy créer ay incertitudes dem ba kenn amati voilà certitude ci élection présidentielle bi mujj moy euh, audio yi ñu de ba dégg wa PDS sax yi nan dañuy euh, saisir justice parce que dafa am des soupçons de corruption des soupçons de corruption yooyu ñoo taxone ba ñu dàqoon élection yi est-ce que euh, cette fois-ci nous ñu utiliser les mêmes alibis pour dakkat élection yi peut-être reprendre le processus tas li nga xamantene conseil constitutionnel. Pour être franc et objectif avec toi je dois avouer qu'il y a vraiment un risque mais nag bu ñu des di gérer risque risqué pour moi, nañ focus ci élection Euh, l'élection. clair que li que dégg si c'est avéré quand même c'est extrêmement grave euh, faut faut aussi que l'union politique politique politique l'union partisan, partisan euh, le sens républicain doit doit pré doit prévaloir sur toute chose euh, si vraiment l'union wax au niveau du conseil constitutionnel là il y a sérieusement un problème voilà il y a sérieusement un problème et politique politique quand même il faut que nous ayons le sens des responsabilités pour dire que si dee libre bu c'est grave C'est extrêmement grave parce que un conseil constitutionnel on parle on parle du conseil constitutionnel donc j'ose espérer que ce n'est pas vrai euh, je l'ose vraiment et, euh, et qu'on ne va pas nous replonger quand même ci liñ dernièrement nga c'était très pénible pour notre pays parce que Sénégal ne mérite pas les repousser élection reporter élection euh, corruption à un, niveau aussi élevé de l'État euh, ce serait extrêmement grave et j'espère que n'est vraiment euh, que c'est pas ça Il y wax république dafa am accusation qui ko ci cinq institutions de la république la le conseil constitutionnel euh, lan moo le procureur de la république mu saisir boppam que ñi nga xamante def nañ conférence de presse en l'occurrence soit PS wala Abdou Karim euh, Karim Meïssa Wade bi nga xamante moy envoyé lien vidéo bi nga xamante euh, dañuy dégg yoy les audio ñu entendre len wala ñu jéem def ben en tout cas wani que ni la machine judiciaire est en branle pour que ñu jéem fexé ba def cette lumière là pour que nit ñi mëna xam fu dëgg bi né ah lumière doit être faite et je suis perplexe quand j'ai reçu l'information ce matin, toute la journée, c'est comme si personne ne veut entendre, personne, C'est ce que j'ai constaté, c'est comme si personne ne, vous, ne voulait croire et, effectivement, c'est tellement grave que les gens, les, nous savons tous, les euh, conséquences c'est-à-dire que il y aura un sérieux problème. non man franchement je mhm. ne parce que le pays ne mérite pas ça. le Sénégal ne mérite pas ça nous ne méritons pas ça parce que imagine imaginez ce que va titrer les journaux au niveau international. déjà notre économie est en train de souffrir mhm. et les gens commencent à le sentir. c'est extrêmement grave Si maintenant. Euh, confirmer des faits de corruption euh, présumés, mais à un niveau aussi élevé que, que, que, ça, ça devient extrêmement dommage pour notre pays. Mm-hmm. Euh, extrêmement dommage euh, pour notre pays notre pays le Sénégal mais tamit est-ce que mënuñu si am si nous avons ñu hypothèse que l'OLDEGLA, que Amadou Ba un milliard jox ko conseil constitutionnel pour nous écarter menace Karim Wade lan moo waral Amadou Ba di daw Karim Wade di accepter affronter le Pastef wala wala wala Ousmane Sonko est-ce que euh, moom dafa jàpp que ni PDS moom moo ëpp euh, dangerosité que li nga xamante ne mooy Pastef wala daf leen minimiser ay hypothèses dana wax ñu ma am. waaw bon euh, yaa ngi may dugal ci jeu hypothèse boo xam ne su ma sañoon du ma ci sax <laughs> sori parce que boo ci wax sax day mel ni tu souhaites où tu penserais que c'est vrai, alors que j'ai vraiment pas envie de, penser une seconde que c'est vrai, parce que tellement que j'imagine les véritables conséquences de cela. Mhm. Et encore une fois, euh, c'est le sociologue et le financier qui parlent, les conséquences vont être graves. Maintenant, euh, il est clair que le régime, l'adversaire principal du, système, système c'est le pastif. <laughs> et le problème avec le Pastef c'est que dragon a cette tête là boo daggee benn beneen donc xam anyway, ne anyway dara contre le Pastef tu élimines Ousmane c'est Diomaye et tu élimines Diomaye c'est une autre personne qui va sortir aussi simple donc xam que la stratégie pour lutter Pastef mënoo am à l'intérieur de Pastef tu ne peux da am uniquement à l'extérieur de Pastef concrètement man on a éliminé éliminer candidature Karim Wade le réflexe que j'ai eu j'ai moi je pense que c'est pas juste nañ ko éliminer Et naa ko waxati ko donc moi, je suis clair dans mes positions pour man euh, nit ki bu renoncer candidature le décret bi génn na def na preuve ne def na le juge da nga juger de bonne de de de manière positive Maintenant, la laa donc man toog ci plateau wax ne PDS je considère qu'ils ont été lésés mais réfléchissez-moi, la justice est dure mais, mais c'est la justice. Mais quand même, on parle quand même d'autre fait autre chose. Parce que ça, c'est pas être dur, ça, c'est autre chose. Si jamais c'est le cas, bien sûr. Et je disais au PDS, allez soutenir, euh, par exemple, un Boun Abdallah ou, ou un Amadouba. Parce que je considère que Khayna, nous le gagnons maintenant. Diallo et autres. Donc, Khayna aussi, euh, la stratégie était de, de, de, de minimiser force Bobo pour peut-être récupérer de l'électorat. Peut-être. Mhm. Euh, li aussi c'est que dafa veux analyse politique. oui et dina Macky considère que Amadou Ba candidat parce que Macky Sall un un guerrier politique des politique c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui assume euh, son leadership politique mm-hmm. té genre que ñu wolu un suiveur. Amadou Ba n'a fait que suivre Macky Sall est le lu un guerrier ne peut faire confiance qu'à un autre guerrier euh, tant de suivre est difficile pour moi Amadou Ba a été choisi ou Boulad Abdallah aurait été choisi juste pour maintenir l'appareil APR aller aux élections mais pour moi son vrai candidat a toujours été dans l'opposition pour moi ça a toujours été quelqu'un comme Edith Seck ou peut-être bien quelqu'un comme, comme Karim Wade pour nous, nous, c'est des leaders en qui il peut voir il peut se il peut se voir lui-même parce que nous, dañu incarner Ben, Ben de et tout donc man dama mës a gëm quelque part son véritable candidat est dans l'opposition bu logique boobu moo on comprend on pourrait comprendre que le candidat choisi se rend compte qu'il n'est pas réellement choisi mais qu'on a choisi l'autre mu bu galgal l'autre ça c'est quelque chose que nga savez

gëmloo ni may tànneef bi man aussi war naa a def ay pexe yo xamanteni ben ah. <laughs> beneen bi voilà c'est ambition de du du du du sori parce que tay au final. Mhm. si jamais <laughs> liñ bëgg mënuñ ko am. et que finalement on va aller aux élections mhm. Euh, Macky Sall va être obligé de choisir un autre candidat. Faute de grippe, au des les Voilà. <laughs> Donc, Galgalnier, quelque part, ça oriente le choix euh, vers sa personne force de dire que benn hein. il yaa fi sës mooy donc tey je sais que dans les candidats, dans les candidats du système am na ou frotté les mains euh, je ne citerai pas de nom mais am na koo xam ne ah. situation bi dako arranger trop <laughs> non non euh, Boun Abdallah c'est c'est clair que aujourd'hui il se dit man mom bokuma ci ben problème je suis là euh, boo leen xuloo boo leen xuloo ma récupérer les récupérer yi ñëpp ba bah, voilà mhm, voilà mhm. am na solo bu baax a baax benn coow bi nga xamante ne aussi depuis euh, démb euh, tey sax ñu ngi koy annoncé buy libération bu Basirou Diomaye Faye ak bu Ousmane Sonko ñu bëri quand même nee nañ libération bi dafa imminente sànq nag jot naa dégganteeg avocat euh, nena mom information ki ko mujjee gis euh, di euh, protocole bi Jibi Ndiaye tonton Jibi des informations nena mom aussi ba 15 amul lo bobu information da nga am information comme quoi que Bassirou Diomaye day guen prochainement. non man awma xam nga man douma ma douma suivre suivre tout ce que je sais Moi, ñom ñaar ils n'ont rien à faire en prison et que de toutes les manières loi d'amnistie une fois ko voté tu as 10 jours pour promulguer donc depuis que ko voté avec je pense ça fait environ six jours il reste quelques quatre jours donc je le souhaite que la sortie du président Ousmane Sonko et de notre candidat frère Bassirou Diomaye se fera dans les quatre jours qui sont devant nous et mais se fera aussi dès que la loi est promulguée parce que dès l'instant que la loi est, est, promulguée mënatoo téye nit parce que l'encontre est ko donc euh, suspense c'est vrai euh, on souhaite depuis longtemps moi j'ai toujours dit que si Macky Sall veut réparer ses erreurs il n'a qu'à y aller parce qu'on lui avait dit que c'était des erreurs à, ne pas faire donc s'il décide de réparer ses erreurs de libérer ses prisonniers politiques qui n'ont rien fait pour aller en prison il y a na mais nous, on n'est pas demandeur mais on a assumé

bi mu demee bañ ne suba la élection yi mu def sondage gis ne Bassirou Diomaye day gagné boobu la comprendre ne xam-xam bokkul la pexe il a compris aujourd'hui man dama gëm ne li muy def yëpp day rafetal balaa moo dem looloo fi sës dañ dafay amati. dafa renoncer dafa renoncer pour man il a renoncé man c'est la lecture politique que j'ai il a enfin compris li ko euh, xalifa yi doon wax rafetalal sa digganteeg nit ñi. Eh, bi coow li amee ñu ñaan la ñaan ñee Ousmane ñu ñaan ko mu nangu yow ñu ñaan la nga bañ bañ bi nga doon bañ nangu ko parce que mooy jàmm réew mi parce que réew boo ci nekkee nit ñi dañ lay ñaan ngay nangu di maye am looy maye am looy bàyyi am looy rusee ñenn ñi mais bu fekkente ne yow coow lu am ay kilifa jug dalal ñi ngi ko seqal bàyyi yow nga téye fa nga téye mais boo demee ba jaaxle mais def la la ñu naan dañ doon wax nga def nga bañ mais loolu ngay njëkk def pour nit ñi mën nangu wax ak yow parce que nag man Pape Makhtar su ma ñëwee wax ak yow. ñaar deux fois de suite defoo la nga digge woon ak man mais boo bëggee wax ak man une troisième fois la nga ma diggoon te defoo ngay dem def ba noppi door a ñëw da nga may wan ay gage na yow mi kat soppeeku nga donc man li ma gëm. et je l'ai dit et redit ñu bëri nag ils ont du mal à à peut-être le comprendre bien évidemment parce que Macky Sall na même victoire fi toogee léegi musul wane ne qu'il était du genre à apprendre de ses erreurs. Mm. donc mu musu ko wane donc je peux comprendre que nit ñi bien comprendre l'ol, mais man je pars du principe que aujourd'hui il a finalement compris qu'il avait affaire avec son peuple que c'est son peuple qui avait pris une décision Moi, il lu pour ci moom du fi toogaat te lépp lu taq ci Ousmane bu ñu ko Tegué, mu jàll il l'a compris et li ko ko li ko ko li ko ko yóbbee mooy dafa yor réew au lieu que mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg teg ko ci liggéey teg ko ci yërmande mu jël réew mi ko ci ay 12 ans de paix. Résultat, 50 000 milliards dépensés, taux de croissance moyen de Macky Sall, c'est 5,5. Le résultat est négatif. Covid, il y a guerre Ukraine, il y a une inondation. Ah, mais il y a eu une crise financière. Il y a des crises financières. Il y a eu une 10 ans en Afrique, il y a des crises. crise. Il y am ay de croissance am ay années de décroissance. la moyenne la ñuy utiliser. donc nous avons 50 000 jox milliards lu président mësta am nga jox déficit commercial bo xamné dafa doublé de déficit. Macky Sall bi déficit commercial c'était environ moins 1700 milliards Nous on est à moins 2500 500 milliards Nous mo waxon taux de croissance industrialisation yoyep dara la ci tous les indicateurs boo indicateurs, indicateur vous limal la indicateur yépp yi nekk économie comme yi nekk côté social vous ci jël contre performance bu notoire la def te loolu dara dans une logique d'analyse des dynamiques sociales d'analyse des dynamiques économiques de proposer des solutions de réformer véritablement les vrais problèmes de ce pays pour proposer leur xam avec le temps forcément d'échanger les conditions de vie des populations nekkul ci loolu Macky Sall analyse situation pexe situation pexe situation situation pexe loolu yoru réew. Mhm. réew dang koy planifier. Mhm.

est-ce que tay di sénégalais yi paré nañ pour dégg ni jomay moy Sonko est-ce que amul ñen ño xamante bu ñu démé ci urne bi photo Sonko nañ xol buñ ko gisul japp ni bokku ci élection élection yi mën nañ ci maana dem def bulletin nul wala ñu voter keneen. risque bobu risque bu am la ah, il faut être réaliste en politique si le régime a tout fait pour que Ousmane bañ a doon candidat parce que xam na Ousmane la nit ñi miin. Euh, ku def sociologie dëgg xam sociologie du vote au niveau du Sénégal xam ni nit ñi pour une bonne partie image la ñuy voté. bien sûr waaw parce que nit ñu bëri mënuñ lire. donc duñ bind duñu duñu lire ba comprendre. information politique buñ koy am amé wuñ ko sur la base de lu ñu liiral seen bët ñoo ngi ko am ci la base lu ñu dégg wala lu ñu gis. waaw parce que nit ñu bëri jànguñu te même nature humaine loolu dañ koy jàngale. tey suma ma tay wax ak comité def une communication ci yow. wax la ben ben sujet discuter ak yow suñ la laajoon Moussa Balla mi fi euh, poser les questions ci li expliqué. Mhm. sur les 10 questions sa réponse yi bu réponses yi c'est sur du sentiment yow li nga retenir de mais du donne sur le contenu. Mhm. donc loolu ku ko xam ci politique kon comme nous l'avons dit, ce qui premièrement moi, le fait que nous n'avons jamais voulu se focaliser sur des individus on a voulu mettre en avant un projet et l'OLU, quand même palliatif pour am et bi encore une fois may ñaax nit ñi ñu sur le terrain distribuer les spécimens aujourd'hui nous, sur une stratégie de campagne caravane bi yëpp ñi ci topp spécimens yi la ñu pour que nous ñi xam ne la donc il faut laaj au niveau des localités au niveau des villages wan ban la projet comme ça nous xam c'est important Si vous avez boobu dañuy nous li ñu <laughs> projet bi wax aussi sénégalais yi pour la coalition Diomaye président Nous pour la coalition Diomaye président moy coalition bi nga xamné depuis l'indépendance du Sénégal coalition mo moo tay andi lo xamné remettre la depuis les indépendances amna génération de Sénégalais yu ko mës défendre mais tay lañu ñu mës ko jegee régler problème depuis Mamadou Dia depuis Cheikh Anta Diop depuis ces grands hommes ñëpp dañu d'accord dañu d'accord ne bañ jugee ci colonisation amna ben benn système de domination bi fi nekkoon système bobu du système bobu mo mëna tirer le meilleur du sénégalais un système lañ waroon andi système bu nga xamné da fay jox au peuple sénégalais sa propre souveraineté pour que peuple bi lim bëgg ci justice am lim bëgg ci exécutif am exécutif

du point de vue des institutions réforme institutions si Si vous résumé ci lu gàtt lu nañ ko nous dinañu dindi ci du homme d'État dello askan souveraineté. réforme pour faire simple réforme des institutions c'est loolu objectif bi askan souveraineté bi ci top, suñu souveraineté dootuñu jël suñu budget di investir ci secteur yoo xam ne nous capter alal ji ñu liggéey ci réew mi moo tax nous gisee suñu euh, suñu suñu politique économique ñaari axe yu am yu fondamental moo ci nekk mhm. secteur primaire mooy agriculture élevage pêche te loolu sénégalais yee ko mhm. ak industrie ba noppi ñu ne substitution mooy substitution boo ko déggee mooy bu fekkente ne dañ daan jënd farine pour defar mburu nañ fexe ba produire farine ngir defaree ko mburu donc système nga xam ne boobu balance commerciale bi nga xam ne am na ba noppi parce que stratégie boobu li tax mu am solo mooy Sénégalais yi am nañ seen consom seen habitude de consommation ba noppi tey buñ bëggoon tere gars yi ñu xëy bañ leen dogoo mburu tey réew mi dina compliqué <laughs> dina compliqué donc ça sert à rien ngay contre farine de blé farine de blé bi bokk na ci habitude alimentaire yi mhm. ce que tu tu dois faire mooy naka laay def ba produire farine de blé. Et l'avantage d'un point de vue purement financier de ça, moi, ni ni consommer euh, farine de blé, déjà c'est un marché de consommateurs de farine de blé de 160 milliards et quelques. Donc chaque année, nous devons mettre 160 milliards sur la table. Donc, si am ce qu'on appelle un off-taker en finance, moi, je ne pas pour gagner. Quand dem d'affaires industrie pour produire des mhm. parce que vous savez que ne soo paree ki jënd mi ngi ni taxaw contrat am man man man table mhm. donc modèle Bobo, modèle bu gaaw la mais nak dina laaj planification stratégique donc suñu deuxième pan stratégie économique moy moy troisième élément bi l'approche au niveau des territoires euh, réorganiser le Sénégal autour de ces huit territoires yi nga symboliser le vrai Sénégal les vrais Sénégalais Bon, politique de décentralisation il y day tax autonomie parce que nak, gis nga euh, bés bo démé ci all bi di campagne. oui dem ci monde rural bi ci campagne fofu ngay xamé importance de décentralisation Fofu ngay gis ne localité bi ña fa né kenn gënu leen a ñee yey ci analyser sen besoin xol sen priorité lan la défal ko sen bop. effectivement et c'est ça la force de la décentralisation c'est ça la force d'une politique des territoires bo xamné dafa gëm ne l'auto-autonomiser les, les, collectivités sur leur capacité de planification. Nous utiliser utiliser la capacité planificatrice des communautés locales pour nous réaliser leurs propres besoins. Vous voyez, si vous avez li les leaders locaux qui nga à la tête des collectivités locales Beaucoup d'opposition, opposition de régime mm-hmm. c'est des gens qui ont ne dañu gëm localité réussir dans leur secteur d'activité mm-hmm. di jàppale askan wi et quand tu regardes véritablement leur budget, ils ont très peu de moyens. Si nous avons des budgets conséquents euh, qui peuvent aller jusqu'à 100, 200, 250 millions. Mm-hmm. Mais tu t'imagines que défaire des salles de classe, défaire des rues pavées, défaire du mobilier, du mobilier urbain, ou tabac dispensaire, des dons, ça avons planifié, parce que mm-hmm. Donc, dynamique pour bo xolé boo rek réforme des institutions dello askan wi le pouvoir de souveraineté mm-hmm. rebâtir économie bu nga xamné dañu recentrer le tout sur le secteur primaire, sur les, sur les territoires et sur l'industrie, en, en, changeant, en, en, en, renversant notre balance commerciale. Bon, nous focus sur la décentralisation. Voilà trois axes. que nous avancer sur euh, trois axes. axe moo ci amal solo bu baax a baax muy réforme des institutions mhm. euh, souvent dañuy le euh, Sénégal dafa nekk ci régime mhm. présidentialisme fort là, que le président il est voilà moom moo nekk ci kaw ak ci suuf moom mooy yàlla mooy yonent ci euh, est-ce que vous ngeen di dans les euh, une fois au pouvoir absolument comment aujourd'hui nous dans programme des éléments qui permettent si jamais le président ne respecte pas lu nous war destituer garde-fou garde-fou de l'histoire du Sénégal nous mais nga mais ñun liñ bëgg té dañ koy parce que buñ paré xam nga loolu foog ñu def benn genre référendum dugg ci détails yi mais wane ne li ñu bëgg mooy que le président puisse être comptable au moment où il est en exercice d'ailleurs loolu tax on a introduit le poste de vice-président parce que si le président devient vulnérable mais mais mais Moussa. il faut que. non xaaral rek président boobu Sonko tax ngeen dugal ko. déedéet non non. c'est. Ah, est non non loolu laa dégg gars yi di wax de. non non non xam nga des fois nit ñi dañuy def ay raccourcis mais naa la wax rek lu tax. les deux raisons yu tax. Mhm. système présidentiel bi am. président de la république moy clé de voûte des institutions. Mhm. et c'est pour ça que clé de voûte bobu kenn mënu ko laal. Mhm. xam nga fi ni amul lo mën inventer ba destituer Macky Sall mais dès l'instant que tu dis dans notre système le président si on ko jappé ci yenn fait yi toute de de de trahison définir ko parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui trahison n'est pas définie donc si on ba créer des conditions claires yo on bu amé mom président bi mom day mais président bu il faut il faut que vice président continue le système américain c'est comme ça. cest mhm. à les aux États-Unis la raison pour laquelle le vice président a une mission à beaucoup président c'est parce que sur aucun dossier président avec vice président ne retrouver vous responsable d'une même erreur. donc vice mhm. président a mission le président mission générale pour que le président bi dans une situation d'impeachment ou des choses comme ça que le vice-président vienne. Donc, dès l'instant que nous dindit le mythe de clé de voûte des institutions d'un président inamovible, dès l'instant qu'on crée des conditions, il faut qu'on soit suffisamment prévoyant pour créer un vice-président qui Ça, c'est le premier. ça, c'est le premier élément. Oui, Deuxième oui, élément, moi, militer en ça, à la faveur de cela. Mhm. Nous savons à partir de maintenant, avec bataille de Macky mhm kenn xalaatu fi troisième mandat. c'est sûr ça c'est terminé. donc ça veut dire que ne Bassirou ko président de la République. Mon xam na ne bu xasee gagner premier mandat bu liggéeyee mandat ba quoi. ko suñ ko pour un second mandat Mon paréna. 10 dix ans le mën def dix ans le mën def. donc c'est important pendant ces dix ans que nous sachions très très très tôt kan mooy jël la relève pour pas qu'on se retrouve avec les syndromes de Hamoudouba des choses comme ça donc comme l'état est une continuité si li ma lay wax nii am na Sierra Leone gi mhm. Sierra Leone nit ñi duñ ko mais c'est l'un des pays bi nga le président ne peut faire que deux mandats mhm. et le président a toujours son vice-président Sierra Leone gi a am président am vice-président justement à chaque fois qu'on est sûr que le président est là pour deux ans il faut préparer la la relève pour que kii ñëw donc jox naa la ñaari cas yoo xam ne mhm. militer pour que le poste de vice-président soit soit institué. ma jox la benn cas boo xamante ni fii la 2011. Mhm. bii le président Abdoulaye Wade. Mhm. ba mu demee bay indi comme li nga wax. Mhm. <laughs> vice président le ko jaarale. tey jii le leen ñëwee euh, di ñu wax vice président est-ce que euh, xel yi dem ci euh, ay yooyu noonu rek jàpp ni que da ngeen bëgg yakal mbir Ousmane Sonko Bassirou tok ni Ousmane Sonko di ko contrôle bis bu démé ba commencé di jëm jadd jàdd yoon bi ñu jël ko fa tek fa Ousmane non je ne pense pas qu'on ne soit pas. parce que tu vice président. Ousmane Sonko bu ko euh, président de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. te ku xam une logique gouvernance mm-hmm. l'Assemblée, non seulement moi voter des lois mais elle a une capacité de contrôle. donc l'Assemblée nationale elle ëpp concrètement présidence de la république bien que présidence de la république nous ñu ko été suñu réew dafa faire parce que c'est clair de voûte mais si vous pas les réformes que nous voulons mettre en place l'Assemblée mmh. nationale a cette capacité de non seulement de voter les lois de d'analyser le budget mais surtout de contrôler l'action du gouvernement en ayant euh, une possibilité de libération des corps de contrôle mmh. l'assemblée nationale devient beaucoup plus puissante que l'exécutif mmh. attention pays dit la la raison pour laquelle affaire bi demee ni c'est parce que doole bi exécutif am la. Mhm. mais euh, Boss buñu défé rééquilibrer les trois. Mhm. mais euh, l'Assemblée nationale devient. kon gars wax ni que poste vice-président bi ngeen wax ci sen euh, boblé projet nekkul pour Ousmane Sonko. non nekkul pour Ousmane Sonko moi je fais partie de ceux c'est vrai que j'en ai jamais parlé en en en public parce que j'ai jamais eu l'opportunité mhm. mais bi ma analyse que maintenant effectivement le Sénégal c'est deux mandats et puis ñëppay dem. Mhm. et que le président il va falloir que nous wàññi sa puissance. mais le poste de vice-président devient une nécessité. Mhm. c'est une nécessité parce qu'on ne peut pas être dans des crises institutionnelles. si vous que le président de la République d'un ko dañ ko dafa def haute trahison. Mhm. mais il va falloir que nous watch tout de suite vice-président également mandat

on en parle dans un contexte précis où mën nañ leen wax lan tax ñu mhm. Si États-Unis c'est le Sierra Leone deux pays qui ont des. mandats. mandat bi du ci bokk mandat bi mënu parce que nous avons fait un référendum. Mhm. donc buy doon c'est après donc proposition le bu sur voilà donc proposition le bon texte sur la table. Si vous ne dafa clair on peut l'expliquer. parce que si nit boo ñëwee ci comme le président de la république. Quel euh, mënu le destituer si tu crées des conditions de destitution il faut penser maintenant la destitution mais qu'est-ce qu'on fait il ne faut pas qu'on se retrouve avec vacances du pouvoir vous nga li li à partir du 2 avril président nga ak donc loolu aux États-Unis, même si le vice-président, c'est le vice-président, le vice-président, je pense, c'est le secrétaire, euh, secrétaire de l'État, une chaîne de commandement pour que que les États-Unis ne puissent jamais se retrouver sans chef. Et ça, c'est fondamental. Nous verrons que ce programme bi euh, aspect boobu dafa ma intéressé woon trop ci wàllum institution yaa ngi doon wax aussi euh, ci wàllum koom wàllum koom nag euh, wax nga si ba ñëw ci industrialisation que yu ni mel ba ñu nekk xale dañu doon wax que ni Sénégal on vit de pêche de de de pêche de pêche dans l'or, wax ak de. d' agriculture ak tourisme ñett quasiment existé tout. Mhm. na ngeen di def ba loolu amaat surtout nag bay bi nga xamante ni amatu fi. justement xam nga tey euh, il faut faire de l'agriculteur un propriétaire terrien. c'est-à-dire que voilà c'est-à-dire que sécurité foncière sécurité foncière bi foog mu am ko. man je pars du principe que souf so xam ne bu ñuy remonter à à cent ans même génération boobu ñoo koy béy suuf soosu ñoom ñoo ko moom dañu war nekk seen propriété. Maintenant, euh, technique du Canada a trouvé, par exemple, mhm. euh, pour être sûr que ce n'est pas parce que Pape Martar euh, hérite de 30 hectares de terres agricoles que de quoi morceler, de quoi faire des est que tous les terres agricoles ont été codifiées en terres agricoles. De changer. Non, Donc, Pape Martar, vous connaissez, 30 hectares de terres agricoles, mais qui a de terres agricoles donc c'est des terres dédiées à l'agriculture de conserver le potentiel foncier pour l'agriculture et dès l'instant que Pamartar a ses 30 hectares Pamartar a ses semences Pamartar peut emprunter une euh, banque pour dire que bon je vais demander sur le ben tracteur dama le ben équipement garanti. am est garanti. et puis chaque année mu a son chiffre d'affaires sur la base du chiffre d'affaires et des bénéfices et du collatéral donc le foncier devient son je vais collatéral parce que le terme mm. anglais devient <laughs> garanti du coup facilement il peut rouler son business il devient un chef d'entreprise bu avoir des assets bu actifs donc nous, ñun voulons bëgg véritablement faire évoluer euh, l'agriculteur sénégalais mu est un homme d'affaires l'éleveur est un homme d'affaires parce que tant que tant que changé le modèle d'affaires renforcer, équiper, ko équipé modernisé élargir capacité de production buñ une ko am té capacité bobu buñ ko amul par exemple ko xamné moyens rudimentaires lay utiliser pour bay koku mënul peut lu wessu lu ko mëna téyé pendant plus de 4 5 mois mais boko moderniser jox ko financer ko technique koku mëna a lo xamné bu ko jaayé il peut se faire 5 6 7 8 millions de francs CFA et là da koy mëna téyé pendant une longue période et day mëna diversifier ou day mëna former nek sax même un agriculteur éleveur. faut aussi que nous génn ci concept bobu que né élevage ñii ñoko ko def. agriculture ñii ñoko def non euh, normalement l'agriculteur est éleveur. L'éleveur même est agriculteur parce qu'il cultive toutes des filières fourragères yo xamné mom lay jox ay ay ay donc il faut que nous l'idée, c'est de retravailler le modèle d'affaires. Si suñu pêcherie tam pareil. ñu continuer avec des petites pirogues il faut qu'on aille à un niveau supérieur avec des équipements qui leur permettent ñu am un niveau de de production à capacité de gap pour maintenir nii day chiffre d'affaires mën du simple au double sur une période assez raisonnable et ce day andi revenu maintenant matière première que nous produire si nous ko un jël nous ko un mu Par bu Si nous, par exemple quota de thon ku ko jàpp da nga koy andi ci suuf si boo ko andee fii nag nga koy transformer là on impose les gens ñu dekk nekk dans l'industrialisation. nous donc mënuñu industrialiser wu te régler wuñu les conditions de production du secteur primaire et leur diversification mais les plus produire nañu teg ay unités de transformation C'est loolu gis nañ des cadres c'est de regrouper toutes les agences qui nga xam dañu dans ci fonds six qui yooyu mhm. ci structure son objectif c'est d'être focus véritablement sur comment financer les petites et moyennes entreprises pour que nous tout tous les moyens de production mhm. et ça c'est une excellente approche mhm. L'un de souvent duñ ko euh, candidat yi di

visa au moins visa c'est clair que l'objectif aussi c'est de euh, justement rationaliser le business waxuma visa mais aujourd'hui il y a toutes sortes d'entreprises qui se créent autour de ce business mm-hmm. qui utilisent des sites internet qui ressemblent aux sites de certains pays mm-hmm. et qui s'ouvrent et qui pensent que nous avons métier wutal visa mm-hmm. ça c'est pas acceptable donc il faut qu'il y ait un assainissement et l'olu, c'est euh, en fait même ci secteur économique bi yëpp la dafa bëri ñoo xam ne tey ñu ngi def business yoo xam ne boo xoolee ba ci biir mais c'est des dangers pour la population. effectivement danger là am na ñu nga xam ci secteur garab yi lañ koy def am na ñu nga xam ne ils ils vendent des choses. mais ils n'ont amuñu benn laboratoire bu mën a waxee bu mën a def test ne ne ne ne ne ne produit bi ñuy jaay mais c'est pas nocif pour la santé. Mm nit boy jaay dara pour nit ki nan ko mais xana kay war nga amna laboratoire bu wara meuna wax ne <laughs> je je teste nañu wax nga dëgg. sama samay yi mom bok ci. yi mom laboratoire yu bax ñoo ko testé. voilà produit vainqueur yi. vainqueur yi xam nga li au moins labellisé nañ ko. Mhm. certifié nañ ko amna agence bu ne ci ginnaw bo xamantene ni li mom machallah mhm. mais bu fekkente ne yow ko xamantene ne yow da ngay jaxase jamm <laughs> joxe euh. xamoo composant yi lan la. effectivement man am naa xarit boo xam ne yalla may na dafa jang ci loolu euh, sama mbokku talibé la amna xam-xam ci mbiri sunguf ak ki kiiw maam yooyu mais mom daf né du ci liggéey parce que amul euh, connaissance scientifique ak surtout chimie pour mesurer quantité yi comme mënu ko def dosage bi mom du ci liggéey loolu moy sens de responsabilité donc mu nek ci mbiri visa yi mu nek ci lepp lu nga xam ne day protéger consommateur bi mm-hmm. dañu war a góorgóorlu pour régulariser l' espace commercial mm-hmm ambassade tam bu fi mënti nekk. munoo fee di pratiquer des tarifs. Euh, créer sa ben genre structure externe. Mhm. muy jël ay rendez-vous. Mhm. nit ñi di mhm. fay. té kenn du leen recevoir té kenn du leen délo nit ki euh, tap et puis même c'est interdit hein euh, code commerce. Ah service bo xamantene ni nit ki li service bu bëggone amuko mais munoo tu ne peux pas tu munoo encaisser xaalis te au service. par exemple dans la législation française tarif croissant mënul am.

parce que tu n'as pas le droit de te faire de l'argent sur le dos du contribuable sénégalais. Tu n'as pas service. Ou de visa de l'autorité. Mm-hmm. Ça, il faut que me clair. Mm-hmm. Et là, je pense que euh, nos responsabilités sont les pour que quelqu'un qui les que Sénégalais nous les accueillir, buñ soxla là, ñu wara recevoir comme il se doit mm-hmm. ñu def dossier déposé frais yi mën mais si vous faites un visa

ay soit ay indien sont doon ay euh, français en tout cas ay étrangers Ils ñëw di exploiter sénégalais di leen euh, métital état bi melni dafa nek aux abonnés absents est-ce que une fois jomay euh, président yoy traitement yoy les murs dañuy fété ginnaw absolument parce que ñun nous ne sommes pas dans la corruption. corruption moi expliqué yoy ah c'est la nga ñëw ñëpp xam nañ fi nu muy mhm. euh da ngay am dossier contentieux euh, xam nañ nu muy demee. Mhm. nit étrangers, nit bu étranger bu ñemee lenn li ci dëkk. c'est mhm. parce que dafa am ñu ko couvrir. Mhm. bu fekkonte ne administration dafa wane ne moom il est il est là pour respecter le droit de l'investisseur le droit du travailleur. et le droit de la nation sénégalaise. parce que ñett yooyu dafa am solo. man je ne suis pas contre un étranger ñëw andi say investissement. daf ci war a gis boppam c'est-à-dire que bu faites ne dañ koo teg loo du justice da ko protéger mhm. il est important que les étrangers se sentent en sécurité dans notre pays bu faites ne dañ pour investir ça c'est fondamental pour ñëw pour investir pour ñëw pour investir mhm. c'est fondamental leur investissement doit être protégé Si mhm. dee dafa am national, bu bëgg a dal seen kaw tegu ko ci yoon yoon dafa a wax ne étranger bi am par contre bu étranger bi pas ci lu dëgg quel nous ko protéger pour de l'argent ou quoi que ce soit c'est-à-dire que le droit du travail d'avoir war dal sen kaw le droit du travail dal na aussi et c'est ça le plus important nos dirigeants doivent avoir un parti pris pour l'intérêt de l'homme d'affaires et de la femme d'affaires et du travailleur sénégalais faral sénégalais faral sénégalais parce que faral sénégalais du point de vue des droits mais faral du point de vue des règles mhm. Parce que l'objectif, ce que nous doit faire au Sénégal, c'est qu'on veut que si le Khalis est venu, il est venu. Khalis est venu, le Khalis est venu. Donc, tu dois faire un salaire bon. Mhm. Parce que euh, euh, son actionnariat, il faut que le Sénégal ait beaucoup. Tu dois faire des impôts. C'est ce qui est faire l'intérêt du Sénégal. Mhm. Donc, nous devons assumer notre politique de dire que si une politique économique dafay favoriser l'espace économique sénégalais favoriser acteurs économique bi investi au Sénégal favoriser l'homme d'affaires et la femme de sénégalais mhm. cela dit maintenant du point de vue du droit du travail mhm. nous devons protéger tous les acteurs. Effectivement. Et c'est ça qui est responsable. Effectivement. Du coup, jaajëfal euh, bu baax a baax euh, moom Moussa Balla foofa la moo nekkoon suñu euh, ci jotaayu PMD waxtaan bi amoon na solo bu baax ba waxtaan nañu actualité mais aussi si lu ñu daanelee mooy programme di la jox nga jox ce kàddu gu mujj bu nekkee dafa am loo ci bëgg rek ci waxtaan bi bismillah. waaw cadre gu mujj rek mooy ay kàddu remerciement. Hmm. Hein. c'est toujours un plaisir Yakarna. naa koor gi mu commencé ba léegi boo moytuwul yow rek laa nar a toggal ci plateau ci journaliste yi yow moom am chance parce que daf ci tombé euh, ma koy ma tu content trop nag parce que xamoon naa ne bu ma fi ñëwee dinañ waxtaane lu am solo may encore une fois félicité waa Bawol pour l'excellent travail bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen ñaax ne lu def doyul parce que vu les conditions donc ma leen jox rendez-vous suba à partir de demain ñu duggaat syndicat duggaat marché euh, demaat encore dans le monde rural vraiment le le du mieux qu'on peut jox spécimen ba président bu baax bi encore une fois c'est des félicitations euh, féliciter la coalition parce qu'on sont en train de faire du bon travail Entrer en matière solo maintenant nañ wacc au niveau de la base nañ dugg dugg di ñaan yalla bientôt me revoir mon frère le président Ousmane Sonko euh, retrouver notre frère retrouver tout le monde et ñaanal réew mi aussi ma koy ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre euh, bu dee am na loo xam ne bëgg naa ñu remercier ma ko mooy buñ ci koor gi nañu ñaanal Sénégal waaw ah, bu na jullee nañ ñaanal réew mi am nekk ci dal mhm. ba yàlla dimbali ñu ñu génn ci ci fan yi ñu ci bët ci bët ba yu ñu nekk mhm. am solo bu baax a baax di ko jaajëfal une fois de plus moom Moussa Bal Fofana moo nekkoon tey suñu gan jotaay PMD mais duñ tëj euh, bi lay jotaay te duñu remercier suñu partenaire suñu partenaire na boko na ci borom produit euh, vainqueur di Moussa di du moins <laughs> Samba Cissé <laughs> Samba Cissé bu ñu nekkul woon ci weer koor bi jox la ci comme weer koor nañ nekk bàyyil ma et puis nekk ci ay campagne moom bàyyil ma bàyyil ma téye ko euh, sinon waa Pastef <laughs> dinañ lay wax ci dëkk pour campagne. dinañ ci dëkk bi ma gis <laughs> ku soxla yii la produit da ngay 77 467 87 87 wala 77 449 45 45 lépp li ay mbirum faible sexuel ndoxum si que di renforcer virilité di purifier le sang sinusite ak yu ni mel euh, produit yi nga xamante dañ ko defar ay base de plante naturelle la te ku ko defar ku euh, xarañ la ku euh, xam lu muy def la di Samba Cissé di ko jaajëfal bu baax a di jaajëfal aussi borom Touba technologie di Bamba di ko jaajëfal bu baax a baax lépp li nga xamante ni wàllu ordinateur la tablette.

Touba technologie yegg si fi moy Touba technologie di yëngu ci matériel technologie lu xeetook ay ordinateur portable matériel de bureau ak accessoire informatique Touba technologie Bon lu ngeen yittewoo ci walu ordinateur lepp lu xeetoo ak Apple Touba technologie am nañu ko mo xam di MacBook iMac iPad ak seeni accessoire am nañu ko fi ci Touba technologie ordinateur yi ba ci walu marque am nañu ay HP Dell Asus Acer Lenovo Touba technologie technologie am nañu ay tablette de marque Samsung wala bok ko yeneen ni marque yi ngeen yittewoo mboolem lu ngeen yittewoo ci walu machine am nañu ko ya xam machine u gamer nga bëgg machine pour architecture machine u infographe machine pour monteur wala bok bureautique fi ci Touba technologie nak am nañu ay machine yu bees tak yo xamantene ya yaa koy dàddil sa bop wala bok ay machine venant yu bàyyeekoo ca États-Unis d'Amérique maa ko wax fi ci Touba technologie bu la jaayee machine ba nopi dañu la koy bo boole ci itam des possibilités de livraison à domicile Touba technologie sous nos adresses. Nyongi Fiti ci Ndakaaru HLM 2 Ben tali ca gannaaw école Madieye salbi. bi nos ay numéro téléphone mën ngeen a ak 77 151 05 86 woo leen 77 127 77 37 wala ngeen woo 33 843 24 20 Fiti ci Touba technologie Malakoar. fini vos soucis pour vos besoins d'ordinateur matériel de bureau ou accessoires informatiques vainqueur numéro un des remèdes pour hommes vainqueur Moy may Gor d'olé mbokki Sénégal vainqueur bi ngeen xamone mu yàgg saafara Séni jangoro yàgg fajj seeni soxla ak si ci penc mi ba ñepp mën ko dina fajj ñàkk dolé gor. dina fajj jafe jafé gor. dina raxas deret ba gor gi deretam gën a yen ak yenn allergie dina léral sey dina nettoyer sa biir dimbali la ci Bounek bu nekk ci biir ak ci biti dina dindi ballonnement ak fatiguement général bouteille sirop bi vingt francs lay jar vainqueur am poudre 10 000 francs lay jar am tamit poudre bu cinquante mille da ngay vainqueur par force vainqueur ca kër ga yaa fi mën yaa ne yaa coupe bi vainqueur vainqueur am na tamit pommade ak huile boo ni day a guddal guddal à 55 000 vainqueur dal, mon premier remède pour homme gën ko may doole am te yene la vainqueur vous nga marché Dalifort ci tali 33 893 50 72 le 77 467 87 87 ou le 77 449 45 45 wala ngeen top ñu ci réseaux sociaux Instagram Facebook TikTok vainqueur produit yi garantie satisfait ou remboursé les